maa tu tudd Gustave Emmanuel Faye euh, citoyen sénégalais la euh, di euh, kilifa boo xam ne kuréel bi ñuy wax initiative création innovation maa ko taxawal dal di tënk benn projet boo xam ne ñaari at a ngi nii ma siy xalaat ba ren laa ko tënk si benn téere war ko wéyal war ko doxal li ko tax a jóg ñu béy dunde ci Sénégal ak biir Afrique ndax nag li jóge bitim réew ñun mu ñu waat waat si yàlla ne lépp baax ñu gis nañ fi ay tas waa taskatu xabaar lañu ay yooni yooni yoon waa service régional du commerce di ñu invité pour ñun ñu ñëw xool li ñu jàpp si gàmmu Tivaouane euh, wala màggalu Touba ni lii de dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko jàpp te ay produit contrefait la wala yoo xam ne date yi dafa eh, dafa dafa dafa dafa jeex. li ñu lekk dafay influer ci suñu santé. ci suñu santé suñu wér bu yaram ndax loo xam ne jeex na produit boo xam ne jeex na service régional bu commerce jàpp ko jébbal ko waa. Euh, service d'hygiène gouverneur si bopam djok ne nañu jël ben bés ñu dem incinéré ko chaises. mais lolu y de quoi avoir peur war nañu tit ci def ba ay relais yo xamné gana bañ leen tagaté ba ñu dem si ay boutique restaurant kolka

ñooy jàpp jox waa service d'hygiène gouverneur si boppam jóg jël benn ba soldaalam ànd ak service déconcentré dem di lakk loolu mais war nañ ci projet bi am na volet environnement ndax ki nga xam ne mooy Mohamed Faye euh, di kilifa si wéykat yi di taalifkat di koo xam ne ku yàlla may la ko ba yàlla baaxal la di làkk séeréer ndax bu jox consommé laka man damay làkk séeréer moom muy làkk séeréer séeréer la Mohamed fay dëkk Fatick. ñuy làkk pulaar. waaw yéen ngeen di làkk pulaar ma sol daalu ngaay ñaw ñaw bii nga xam ne tailleur moo ko ñawee fii Sénégal lii aussi ñu ñawee ko fii Sénégal ceinture bi takk aussi artisan ngaayee ko defar moi je pense que euh, projet environnement bi dafa jot ñu aar suñu àll ñu aar suñu wurum ñu aar suñu suñu suñu suñu suñu euh, li nga xam ne moo ñu wër

ndax volontaire nag am na si bànqaas yu bëree bëri si éducation am na volontaire yoo xam ne tey ñu ngi jàppale police gendarmerie nationale tribunal ñu ngi fi ak feneen ak feneen ak feneen. fu ñu leen wax ne kaay leen ñëw je pense que dafa jot kon ñu former ay volontaire

donc donc dina tax au moins sur le plan économique si suñu kom mu yok suñu kom ndax bu qui ki béy mom qui na jaay légui dama lan lay mais déjà na dina si mën a jëriñoo ak ak ak njabootam askan ni jëriñ itam ont Sénégal PIB bi day day ki day day euh, wax taux de croissance aussi ah, day te loolu dafa baax si ab réew bu ñu demee itam si li nga xamné mom mo jëm si euh fexé ba euh, ñi nga xamné ñoy soxna yi nga xamné ñoy def transformation des fruits et légumes am fu ñu mën a écouler seen euh, maanaam marchandise sen jus de bouillie jus de bissap jus de ditax gingembre ak leneen li ni mel sen marmelade confiture ak bokal yi ñuy def di ci def ay carottes ak ay navet

La yoo xam ne mais kon suñu xale yi fan lañ parce que ña nga xam ne seen waajur ñoom mënuñu ko togg da dem si kër ñu mënuñu togg donc projet des boutiques restaurant Colta, Colca, nga xam ne boo produit bu la si bu projet bi si juróom-ñaari région yi muy Thiès ak fi nga xam ne mooy saint si première phase bi beneen phase ba topp ñu xool ko bu mokkee ñu def ko année prochaine bu mokkul ñu xaar bu mu mokk ndax mbir mi du sensibilisation dañ ne ñaar fukki at ak juróom wala juróom fukki at man mii dootuma ko teewee mais naa joxe relais bi bàyyi ko si volontaire yi ñoom ñu mën ko wéyal ndax Thomas Sankara lu mu liggéey ba ñenn ñi tey euh, di dem bio di sol ay yëru soru rabal yoo xam ne coton ba witeen ba Burkina lañ ko béyee tisera burkina moo ko defar tailleur burkina moo kii burkina bi sol ko waay waay Premier première dame bu demee ba di tagalu di sol ay grand bubu ay marinière honorable député di solu sol bu yiw bii mais je pense que ñun sénégalais yi gannaaw ajuma ak dimanche ki ñuy sol yére yooyu waay nañ si yokk yeneen ba si waay nañ jël li nañ jël te ak li nga lañ ndax léeg-léeg kat dañuy dama koy wax sama baat kaw dañuy des produits pharmaceutiques sur l'Afrique sur nous Africains nous sommes devenus des cobayes des Européens, des Américains et des autres continents. Nous sommes devenus des cobayes pour consommer des produits yoo nous ne leur provenance du ñu xam ni faire ko la composition étiquette boo def rek composition bi yow boo ko bu fekkee ITA amu si ab passer. Pastef ne Mais mais c'est ça. nga mooy dem bu fekkee ni suñu soxna yi ñoom ñooy defar loolee ñoom ñu jël bouteille yooyu di si teg koppar bu bëri di grande surface supermarché

le coordinateur euh, de l'initiative création innovation, FOCAT. FOCAT qui signifie en récits, mettre ensemble mais dans le bon sens. Consommons local, consommons africain pour tout simplement euh, sensibiliser euh, le continent africain d'une manière générale et de manière précise notre pays, le Sénégal, pour pouvoir au moins avoir les bons actes et les bonnes attitudes par rapport à, en tout cas, préserver notre santé, mais préserver également la santé de tous les Africains. Parce que nul n'est censé savoir aujourd'hui, euh, sur le plan nutritionnel, nous avons d'énormes problèmes à savoir euh, nous remercions d'ailleurs au passage l'Institut de technologie alimentaire du Sénégal qui est chargé euh, de contrôler tous les produits qui rentrent dans notre pays pour savoir la véracité des tickets qu'on stampille sur ces produits-là. Euh, nous remercions également le ministère du Commerce à travers ses démembrements, à travers également sa police. Euh, euh, euh, qui s'occupe un peu de voir si les dates de péremption sont déjà échues, euh, mais également le service d'hygiène euh, dans sa quête régalienne de, en tout cas, mettre tous les Sénégalais dans un environnement sain. Donc, je reviendrai par rapport à ce concept consommant local, consommant africain, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, nous avons vécu et nous continuons de vivre vous êtes malade, vous allez vous consulter ou vous êtes référé dans un hôpital ou dans une structure sanitaire d'une manière générale. C'est des analyses à n'en plus finir. C'est des neurologues, des spécialistes qui vous tiennent pendant 3 à 6 mois et parfois nous, ils détectent absolument rien. Ce qui signifie aujourd'hui que les produits que nous consommons ont une part de responsabilité par rapport à, en tout cas, ces malades qui ne sont pas connus, ces malades qui sont, pas, qui sont devenus récurrents comme le diabète. Il fut des temps, euh, c'était nos grands-papas, nos aïeux qui, qui, qui, avaient cette maladie qui s'appelle le diabète. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de 7 à 12 ans qui sont insulino-dépendants. C'est-à-dire s'ils ne prennent pas la piqûre, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et par rapport également à notre environnement. Dieu nous a créés sur terre et a euh, choisir l'homme comme référence. Mais nous, nous sommes en train en tout cas de creuser notre propre tombeau en faisant du mal à la nature. Avec la coupe abusive qui se trouve au sud du pays, on en a parlé, Ali Haïdar a attiré l'attention du gouvernement il y a 4 ans, il y a 3 ans de cela. Le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Environnement à l'époque, Bibi Baldé, ministre de l'Intérieur Diallo, ministre des Forces armées Augustin Tine, ont fait un déplacement commun dans une, dans une même journée, dans un même endroit, pour voir de visu comment la coupe du bois de Tech se faisait et était transférée dans d'autres horizons. À Thiès, c'est l'érosion euh, du plateau de Thiès qui gagne du terrain. La forêt classée est, est en tout cas composée d'arbustes épineux et lorsque les pluies arrivent, c'est le ruissellement encore qui enlève en tout cas l'humus ou les propriétés dont pouvait se euh, garnir la terre pour pouvoir au moins, lorsque vous plantez, vous pouvez ensuite récolter dans de bonnes conditions. Les terres au niveau de euh, la zone des Nyaïs de Dakar jusqu'à Saint-Louis, la protection avec les filao qui date plus d'un euh, demi-siècle, aujourd'hui euh, cette protection ou ces brisements sont devenus vieillissants. Ce qui signifie quoi Ce qui signifie qu'avec euh, le temps, même les terres affectées pour la production maraîchère avec nos amis maraîchers de l'association des unions maraîchers de la zone des Niaï. Aujourd'hui, ils rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'avec l'avancée du sable, avec l'avancée du désert, c'est des dunes qui se forment et qui aujourd'hui euh, diminuent en tout cas les surfaces cultivables. En tant que citoyen sénégalais lambda, je pense que, comme d'ailleurs les femmes de développement, comme honorable député Fatsen, mais également Mati euh, Senghor et euh, notre armée nationale qui travaille beaucoup, hein. la police qui nous sécurise chaque jour. Moi, je pense que c'est un devoir pour moi de rendre la monnaie à mon pays. Ils m'ont sécurisé j'ai été à l'école, je suis devenu ce que je suis devenu grâce aux forces de l'ordre de, notre pays. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont un rôle à jouer. Ce rôle multidimensionnel qui, à travers en tout cas euh, euh, des, actions interministérielles, puisque nos euh, frontières sont poreuses. Aujourd'hui, c'est la combinaison entre la police, la gendarmerie, les militaires, les douaniers, le service des eaux et forêts du Sénégal, qui aujourd'hui ont un rôle primordial et ils le font et ils, continuent de le faire. Même si je demande au gouvernement du Sénégal, au président Macky Sall de les aider en moyens et de recruter en nombre suffisant. Mais sur le terrain, ma première mission, c'est de sensibiliser l'Afrique, c'est de sensibiliser le Sénégal. En quoi faisant En faisant des rendez-vous de presse de sensibilisation, en allant dans les radios, dans les télévisions, mais également en formant des relais dans cette région, que sont Kédougou, Jigashor, euh, Kédougou, Kolda, euh, euh Kaolak, Thiès et Saint-Louis pour la première phase. Ça, c'est un. De deux, consommons local. C'est pas seulement un laïc mais c'est quelque chose d'ailleurs que les Sénégalais ont débuté. Mais je peux dire que seulement ces deux à trois jours. Le vendredi, le jeudi, le dimanche, lorsque les musulmans se rendent ou les dames se rendent au marché, ils sont vêtus en tenue traditionnelle. Lorsque euh, nos euh, frères musulmans vont à la mosquée, dans la grande majorité de ceux qui, ceux qui vont prier à la grande mosquée, ils sont vêtus en tenue traditionnelle. Madame euh, la Présidente a montré également la bonne voie. Ce n'est pas de la politique, mais c'est quelque chose qui est là, qu'on peut toucher du doigt. C'est la première dame du Sénégal. Elle montre la bonne voie en disant, moi, première dame, je porte vraiment euh, des tenues traditionnelles. On le voit en grand boum parfois, en loquette, en marinière, avec son foulard, tagal. Moi, je pense que c'est ça même si ces deux jours ne suffisent pas, il faudrait que qu'on puisse sensibiliser dans 25 ans, dans 50 ans. Je ne serai pas là. Mais qu'il y ait des générations relais qui prennent le relais, qui prennent le témoin et continuent de sensibiliser. J'en suis sûr et certain. Cela va nous aider sur le plan économique. Parce que lorsque nous consommons local, le riz de la Casamance n'aura pas à, à souffrir d'une surproduction et d'une mévente avec plusieurs tonnes non vendues. Les euh, choux, carottes, euh, etc., légumes et fruits transformés ne vont pas souffrir d'une mévente. Le riz de la Casamance, l'huile de palme de la Casamance, l'huile de palme de la Côte d'Ivoire, le pognon du Kédougou, euh, d'autres mets qui nous viennent un peu partout, de Niamey, d'Afrique du Sud, à Loco, à Tchéké, ne vont pas souffrir. Mieux, c'est des produits que nous semons, que nous récoltons, nous savons la provenance. Et quand nous savons la provenance, nous avons la possibilité de dire oui, nous pouvons consommer sans danger ces produits. Parce que c'est cultivé chez nous, c'est récolté chez nous et c'est mis en boîte chez nous. Et même si par mégarde, quelqu'un avait une intoxication, il peut se dire oui, je vais directement dans la rue des vallées ou je regarde dans le sac de riz c'est telle ou telle société qui fait la mise en sac ou la mise en production, je peux au moins aller dans le tribunal de notre pays, dans la justice de notre porte plainte. Le bio, c'est en tout cas la meilleure chose que nous pouvons avoir. Mais est-ce que le bio peut atteindre, en tout cas, euh, peut toucher les 14 millions de Sénégalais en matière de consommation locale. Donc nous êtes... une politique qui pourra effectivement... En attendant que ces politiques, ou en tout cas que ma voix soit entendue au plus haut niveau, du président de la République en passant par le ministère de tutelle qui le ministère de l'Agriculture, moi je pense qu'il faut aller vers les euh, producteurs maraîchers, aller vers les agriculteurs pour pouvoir mettre en place, en tout cas, un cadre de base qui permettrait à consommer bio. Dans ma conception de ce projet, j'ai dit Lorsque vous parlez de consommation local, consommation africain, et parlons également de condition sur le plan environnemental, si aujourd'hui nous devrions euh, euh, vraiment consommer et que nous ne pourrions pas trouver les produits dans des endroits bien précis, ça serait du gâchis. Ça serait du gâchis dans la mesure où, avec les boutiques Colca que j'ai pensées et restaurants Colca, nous pouvons, les, les, en tout cas, euh, les ménages du Sénégal et d'Afrique pourraient s'approvisionner dans leur localité et en même temps les consommer. Lorsque vous, vous n'avez pas la possibilité de cuisiner, cuisiner les produits ou le consommant local, consommant africain. Moi, je pense que lorsque vous allez dans la boutique Colca, restaurant Colca, si vous n'avez pas assez de temps, vous commandez sur place et le gourban vous est servi, le nyeleng vous est servi, le lahou Bisap, le lahou tchahan, hein, euh, le Mahalou saloum, euh, le Sou avec le Dutour euh, euh, avec euh, le riz venu des pharaons de la Casamance, le tchéboudjen avec le riz de la vallée. Moi, je pense qu'il faut tendre vers ça. Si nous ne le faisons pas, si, nous le faisons pas, c'est une mort programmée des Sénégalais et des Africains. Ceux qui nous viennent d'ailleurs, de l'Europe, je vais le citer, je vais toucher du doigt, ceux qui nous viennent des États-Unis d'Amérique, ceux qui nous viennent des autres continents, Hormis le continent africain, nous ne pouvons pas jurer à 100% pour dire que c'est des produits bons à la consommation qui, ne donneront pas des maladies qui ne seront pas détectables par nos professionnels de la santé. Moi, je pense qu'il faut qu'on consomme et qu'on euh, local et qu'on consomme africain. C'est la seule issue et c'est la seule voie de salut. Maintenant, il y aura également un volet économique, un volet également emploi. Parce que quand tu parles de boutiques, Colca, de restaurants, Colca, accompagné. moi je pense que dans une boutique, il faut un vendeur. Il faut quelqu'un qui accueille. Dans un restaurant, il faut des euh, hôtesses, mais il faut également des serveuses. Il faut des cuisiniers, des chefs cuisiniers et des cuisinières. Donc au bas monde, la boutique Colca et le restaurant pour toucher 10. 10 multipliés par 14 régions, déjà ça fait 140 emplois. Ce n'est rien mais ce n'est pas négligeable. Moi, je pense également, là également, il faudrait des relais qui pourront appuyer nos parents des eaux et forêts. Parce que le nombre d'éléments des eaux et forêts, pour même la forêt de la Casamance, ne suffisent pas. Il faudrait des relais ou des volontaires. Nous avons vu des, des volontaires aujourd'hui de l'éducation, d'autres volontaires qui sont des auxiliaires de pouvoir public qui aident la police qui aide les, l'équipe euh, de la sécurité du tribunal. Aujourd'hui, il est aujourd'hui normal qu'on puisse former des volontaires de l'environnement qui vont épauler les éléments des eaux et forêts du Sénégal. Moi, je pense que là également, c'est de l'emploi qui, qui, va arriver et euh, sur le plan économique également, c'est des, c'est, c'est des gains, c'est euh,